asalaamaaleykum mbokki internetu waxa TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar na moo ngeen ñu waaye ñoo leen tey nag ñu ngi fii ci Pikine centre commercial bi ngir teewee fii nuit des champions bi nga xam ne conseil communal de la jeunesse bu Pikine moo ko organisé tey ñu fas yéene see jox ay prix ñi nga xamante ne nii dañoo déterminé fii ci goxu Pikine bi tamit ñi nga xamante tamit dañ leen ràññee lool ci liggéey bi ñuy def tey daal xam naa ne daal fii daal ci Pikine dara du yomb. waaw je crois que avant tout il faut que ma féliciter le président Alioune Badara et je crois que ça c'est une très bonne initiative une initiative boo xam dañ ko war a continuer mu nekk agenda culturel boo xam day bokk fi mu ne nii ba abadan mu nekk benn benn date boo xam ne chaque année dañ ko war di célébrer di ko def at képp ku fi munti ne parce que c'est une très belle initiative et je crois que y a de l'impact aussi sur gisé ñi fi ñep nga xamné bu am bu am solo la. Ah, événement événement pour fort agré mais sauf que c'est une jeunesse euh, réunie autour d'une structure fêtière qui est le conseil communal de la jeunesse après avoir reçu des subventions de la municipalité et mené beaucoup d'activités pour l'intérêt de la jeunesse ose présenter un bilan un bilan bo xamanteni ni wax maire. Euh, li nga ñu joxoon ci ay koppar là c'est une preuve euh, euh, de transparence mais également montrer un engagement dans le développement de leur localité. Je suis content parce que c'est dafa jour de consécration Madame. jour bi nga de la sargal ndawu le conseil communal de la jeunesse de Pékin Nord bi est 16 communes du conseil départemental de la jeunesse de Pékin, bi mais en général bu ñu fête de la jeunesse. Ah, li ci ëpp dañuy jàpp rek aspect festif bi mais tay fête la boo xamante ni dañ ciy sargal doomu Pikine Nord yi nga xamante ni ci ay domaine yu bëri ràññeeku nañ ci wane seen xarañte ci année bi yëpp amal njëriñ tamit askan bi parce que loolu moom moo ci ëpp importance donc tay ñu woo leen devant tout le monde devant toutes les autorités mais aussi devant toutes les personnalités du département de Pikine pour mën leen a sargal wane leen li ngeen def nii am na njëriñ pour askan bi te li ngeen def nii tey ñun ñëpp ànd nañ ci valider ko. te ñu gis ni Pékin Nord dafa am rôle son conseil communal de la jeunesse daf ko depuis trois ans yi nga yor président aussi Pikine yemuñu ak Fofu, foofu Pikine dañ ko un mandat au niveau du conseil national de la jeunesse du Sénégal on peut se glorifier que ni qui est ki au niveau du conseil national de la jeunesse du Sénégal muy le président Alioune Badrafal, Fall bay pour représenter dignement la jeunesse sénégalaise représenter la jeunesse de Pikine def na ko faral di wax mbañ ca mbañ a xaan représenté représenté na bimu waré bagn bagn na. Euh, bu conseil communal de la jeunesse de Pikine Nord organisé lu melni ni dafa jël comme invité d'honneur moy conseil communal de la jeunesse de yëmbal Nord loolu satisfaction lo mbégte la te day wane ni moy les conseils nek au niveau département Pikine ben lañu euh, té tam. di encourager notre président Alim Badara Fall et en même temps di remercier le président du conseil départemental de la jeunesse de de Pikine parce que taxawaye mom motax tax euh, conseil bu Pikine Nord am fit di euh, def invité d'honneur lu conseil communal de la jeunesse bu yembal Nord diko ci bu baax baax. et que à Pikine Nord euh, Pikine Nord montre encore une fois que la jeunesse peut que la jeunesse quand elle a pris toutes ses responsabilités peut entreprendre et aujourd'hui la nuit des champions est devenue un label une institution et vous voyez cette année-ci de plus en plus, on a fait un autre pas en avant à travers des initiatives que prend le Conseil communal de la jeunesse, à travers euh, la personne du président Aline Badrafal, qui quand même incarne aujourd'hui cette nouvelle génération, ce, nouveau leadership euh, de tous les jeunes du Sénégal qui s'engagent dans le développement communautaire, qui s'engagent dans le développement local. Et aujourd'hui, c'est la consécration quand même de, l'engagement d'un ami et d'un frère, Aline Badarafal, ndaxte c'est c'est quelque chose bo xamné dafa dafa dafa yàgg am c'est quelque chose bo xamné aussi c'est valorisant ndaxte nga gis nek ci localité mu am ay ndaw yo xamné ñanga fa dajalo nek ben ben groupe am ne nañ tok ne nañ wané suñuy morom ya xamné ay champion la ñi nga xam ne ngi ci gox bi war lañu jël en exemple wan lañu wané lolu loolu ñu ñu amale ko journée bi tay donc ñu féké ko ñun tamit nek ay ndaw yo xamné ne élève ak étudiant la

qui est très engagé, très dévoué. Et je crois qu'il s'est illustré parmi les meilleurs conseils au niveau national. Encore une fois, que si on fait confiance à la jeunesse, on a une capacité pour une innovation. Donc quand il y a ces genres d'activités, quand il y a des jeunes qui innovent, voilà, qui cherchent à, proposer quelque chose d'autre que ce que nous avons l'habitude de voir, on est toujours fiers. On est toujours fiers d'assister à ces genres de rencontres. C'est pourquoi on a tout fait pour qu'on puisse pour pouvoir venir ici, voilà, l'épauler, être à ses côtés et lui dire que voilà, nous sommes fiers de lui. De bobo aussi ñu ngi ciy grand parti di responsable Mamadou Gaye. vraiment mu doon loo xamante dañ koy de les magnifier de les féliciter de les encourager aussi pour qu'ils pour aillent de là-bas. Bon, d'abord, avant la jeunesse, je souhaitais une bonne heure à l'ensemble du peuple sénégalais, plus particulièrement la jeunesse, surtout la jeunesse de Pékin. Et en, en priorité, la jeunesse de Pékin Nord, nous avons organisé l'événement habité. Nous un Sénégal, nous avons fait des donc je remercier tout le conseil communal de la jeunesse mais également dire Monsieur le président Aline Badara Fall bi vraiment c'est un homme à découvrir et à fréquenter comme j'ai l'habitude de le dire parce qu'il est en train de faire de très belles choses pour la jeunesse euh, du département de Pikine donc merci à tout le monde bonne et heureuse année et bravo à toute l'équipe de Je crois que donc euh, le propriétaire Ousmane Fall a accepté avant même la fin des travaux d'accélérer les travaux pour pouvoir offrir ce cadre-là à la jeunesse piquinoise. Donc je le remercie et je félicite le conseil communal, à la tête le président Aline Badrafal, qui est conseiller municipal de la commune de piquine Nord, qui est également le DAGE du conseil départemental de Bambé, qui est un consultant international, et qui est un jeune véritablement chevronné en termes de compétences, en termes d'expertise. rare de voir des jeunes avoir ces, ces, ces gens de talent, ces gens de compétences et d'être corrects euh, d'avoir la capacité véritablement de, dérouler un mandat sans qu'il y ait des problèmes à travers l'équipe. Donc je le félicite et je félicite tous les artistes qui passent chaque année et en même temps ceux qui sont des doréas. Parfois c'est des chefs de quartier, c'est des Badjanugor, parfois c'est des tailleurs, parfois c'est d'autres talents. Chaque année je vais essayer de découvrir en même temps que vous qu'est-ce qu'ils vont décerner et qui sera décerné. Et voilà la fête également avec Amassi.